Et le viol, euh, vraiment, c'est un fléau qui est en train de prendre de l'ampleur. Parmi le lot des violences euh, dont les femmes et les filles sont victimes dans notre pays. Et à travers le viol, nous pensons que les femmes doivent oser. Le viol, c'est un acte de pénétration sexuelle sans le consentement de la personne. Tout acte de pénétration sexuelle sans le consentement de la femme ou de la fille est considéré comme du viol. Mais bien sûr, il y a beaucoup de cas de viol. Nous, cette année, eh, euh, le siège national, y compris les antennes, ont enregistré plus de 20 cas de viol. C'est énorme à mon avis. C'est vraiment énorme et ça fait peur aussi. Et c'est des jeunes filles mineures qui sont en train d'être violées, soit c'est des viols en réunion ou bien des viols individuels. Voilà. C'est des filles dont l'âge euh, varie de 10 à moins de 18 ans. Hein. Oui, oui. C'est pour ça que je t'ai parlé de filles mineures mhm. qui sont en train d'être violées. Il y a aussi les filles saisonnières c'est les bonnes qui viennent, euh, qui quittent leur village pour venir en ville travailler, qui sont aussi victimes de harcèlement sur les lieux de travail et même de viol. Mais c'est un sujet tabou. Les victimes ont peur de dénoncer. Et nous, nous sommes en train de sensibiliser les femmes et les filles pour qu'elles dénoncent les actes de viol dont elles sont victimes. Parce que sans, sans, sans dénoncer euh, ces actes-là, on ne peut rien faire. Nous ne pouvons pas les prévenir ni sanctionner aussi les auteurs de ces actes. En tout cas, c'est un sujet tabou qui fait honte, tu sais, à travers le, le viol. On sent la honte. Donc les gens ont honte d'en parler, ont honte de dénoncer, ont non seulement honte, mais, mais aussi peur de dénoncer. Il y a surtout la peur de, de, de, de l'agresseur ou bien du violeur puisque si c'est dans les quartiers périphériques, les filles ont peur que les, après dénonciation, que ces violeurs-là reviennent. Non, ils ne vont pas revenir puisque on pourra mettre la main sur eux et puis les jeter en prison. Bon, moi, je pense que euh, la justice doit alourdir euh, euh, la peine. La peine, elle doit alourdir cette sanction, puisque par le passé, quand tu violes une femme ou une fille, et tu peux encourir 7 à 15 ans d'emprisonnement ferme. Mais quand ils, quand ils disent que bon, on relâche la personne, je ne sais pas dans quelles circonstances ça a été fait. En tout cas, nous, tous les cas que nous référons à la justice sont bien traités et les, les, les violeurs même euh, sont sanctionnés. Je dis, la personne peut encourir 7 à 15 ans d'emprisonnement ferme. Ça, c'est clair puisque le viol est considéré comme un crime euh, au niveau du code pénal. Et je dis que les femmes ont peur de dénoncer. Certes, nous sensibilisons à travers les médias, à travers les, les sensibilisations terrain, lors des causeries, débats avec les groupements de femmes, avec les groupements de jeunes, parce que euh, beaucoup, beaucoup de pratiques euh, néfastes conduisent au viol. Euh, dont entre autres le mariage précoce et ou forcé euh, des jeunes filles. Quand on marie une fille à un âge précoce, elle peut être violée. Le mari la viole puisqu'il sait que c'est de force qu'on l'a mariée. Donc lui aussi, il va la forcer à entretenir des relations euh, sexuelles sans son consentement. Et c'est la raison pour laquelle j'insiste que tout acte de pénétration sexuelle sans le consentement de la personne est considéré comme un viol. Le viol conjugal existe bel et bien dans notre société, mais les gens ne veulent pas qu'on en parle. Même les femmes âgées sont violées dans leurs foyers conjugal.